parce que Ousmane Sonko dafa jóge këram juge bi convoqué ko tey à neuf heures mu waajal di dem mais Ousmane Sonko benn obligation la de am moom moo di mu dem tribunal mais pour dem tribunal amul benn yoon buñ ko war a rëddal su ko neexee jaar gauche su ko neexee jaar droite su ko neexee jaar ci digg bi mhm. mu génn këram léegi waa gendarmerie waa GIGN ñoom ñëpp topp ko mu dem ba Sicap Mermoz te foofu moom mooy la ligne directe pour dem cabinet pour dem euh, tribunal foofu gars yi bloqué ko mu nekk Sicap Mermoz toog na ci otoom lu ëpp waxtu mu jékki-jékki ñaari waxtu mu jékki-jékki ñu ne bon dañuy dem débloquer situation bi ñun avocat yi ñu ngi woon tribunal di toog di ko xaar maître Bamba Cissé maître euh, Demba Ciré Bathily maître Khoureychi Ba mu ngi woon ak moom ñu dem foofu Stèle Mermoz bi ñu egsee ñu gis préfet bi waxtaan ak moom léegi pour voir nan la ñuy décanter ñu ne leen mën na nañ jël Ousmane Sonko dugal ko suñu oto oto maître Demba Ciré Bathily yóbbu ko bu am coow et ce sera dans l'anonyme ñu ngi doon foog ni affaire bi dina réglé ah, ñu jékki-jékki moom mu ngi nekkoon ci biir otom génn ñuy waxtaan ak moom le commandant qui dirigeait les les les gendarmes mais mais y a une nouvelle donne donc je signifie à monsieur Ousmane Sonko son arrestation pour euh, trouble à l'ordre public et manifestation non autorisée participation à une manifestation non autorisée donc en vertu de quoi ils ont reçu des ordres ils ont reçu des ordres maintenant

Nous, qui dès l'instant que nous interpellons, Ousmane Sonko on l'a interpellé en la présence de quatre de ses avocats maître Kouré maître Dembassire Batili, maître Demba et moi maître Joseph Etienne Job. mais gars ils ont bloqué nous, ne sur notre du maître Demba Batili, quand on a avancé ça, gars ils menacé nous donc avec presque leur arme donc moi je dis ça c'est une violation flagrante des droits donc de, de, de, de, Sonko une entrave à l'exercice du travail des avocats. Et je dis c'est anormal. Mais une section de recherche le mec, mais nous Paul ça, ça accrédite la thèse du complot. Qu'est-ce que nous douter de la thèse du complot, Parce que dossier viol de il n'est même pas nécessaire d'être un étudiant en première année de droit pour ramener nous avons il faut je créer une infraction pour justifier l'arrestation et la condamnation de M. Psonko pour autre chose pourvu qu'il soit condamné c'est l'objectif recherché mais ça ne se passera pas ainsi parce que l'infraction même de trouble à l'ordre public il ko démonter inshallah voilà. Ah,